Donc, ce sont ces maladies de l'action contractées à, travers ces genres d'activités qui, en fait, créent les IST. Et, effectivement, il y a des réticences euh, que les patients ou les malades ou bien les, personnes affectées par ces maladies-là euh, éprouvent donc à se faire euh, dépister ou à se faire traiter. Pourquoi pour la, première, la première raison, c'est parce que c'est une maladie, et euh, on suppose, dans notre euh, contexte social, social et culturel que c'est la personne a eu un rapport sexuel, euh, Or, c'est une question qui est taboue. Donc, la sexualité est une fois taboue. Donc, dans notre euh, certains aspects de la sexualité, je dirais, sont tabous dans notre contexte socioculturel ici, ici au Niger. Donc concrètement, donc on sent que quelque part, donc c'est comme si on se dévoile pour dire que moi euh, j'ai une activité sexuelle euh, plus ou moins non, cadrée. Donc c'est ça qui fait la réticence euh, de ces jeunes personnes-là. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, donc la fête des parties génitales. Et qui dit partie génitale dit en fait pudeur. Et qui dit pudeur aussi, donc dit cette honte-là que les gens éprouvent à aller se présenter devant un, euh, un, clinicien ou bien euh, devant un professionnel de santé ou bien devant un parent pour lui expliquer effectivement qu'au ah, niveau de telle partie, j'ai tel problème. Par exemple, si vous prenez en ce qui, concerne la gonorrhée ou la syphilis, que, qui est plus, très fréquemment vue donc, dans notre contexte, c'est des maladies en fait qui, vous allez voir que c'est au niveau du sexe de la, de la personne qui va commencer d'abord à développer les premiers symptômes. Donc c'est un peu difficile pour la personne d'aller euh, dire que voilà ce qu'il a comme problème et que ça lui crée certaines honte. Et il ne va venir que lorsque la chose s'est empirée, c'est-à-dire que lorsque vraiment il ne peut plus tenir, il a donc dit, bon, qu'importe, alors je vais aller. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que aussi il y a le regard de l'autre sur la personne. C'est-à-dire que euh, le patient lui-même en allant, donc, le craint d'être victime de certaines stigmatisation. C'est-à-dire que, le professionnel de santé ou la personne vers qui il va aller peut le regarder d'une autre façon, donc comme étant une personne qui est dévagondée, qui est de mœurs légères. Donc ça, c'est des considérations qui peuvent euh, amener les gens à être réticents. Maintenant, euh, euh, moi, le, conseil que j'allais peut donc prodiguer à l'endroit des, victimes ou bien des affectés de ce de, maladie, c'est qu'il faut considérer que la maladie, c'est une, maladie, c'est une maladie, quelle qu'en soit la maladie. Donc, euh, il n'y a pas une maladie sexuelle, une, maladie euh, psycho-nerveuse, euh, ou bien neurologique, ou bien cardiaque. Cette maladie, c'est une maladie. Donc, par conséquent, donc, il faut la, prendre comme étant telle. Donc, c'est départir de toute peur, c'est départir partir de, de, toute psychose, de toute honte pour aller se traiter. C'est le seul bien que vous pouvez faire à l'organisme. Pourquoi Parce que plus vous attendez, plus les complications vont venir. Et lorsque ces complications peuvent être euh, irrémédiables, c'est-à-dire que vous allez garder certaines séquelles. On a vu avec le genre, euh, le syphilis, genre ils peuvent créer donc des rétrécissements donc au niveau donc des voies urinaires ou génitales et qui va peut-être causer euh, d'autres soucis plus tard. Quand les infections chez la femme aussi, c'est la même chose. Ils vont créer des, des, des qui à la longue vont boucher la, la trompe et finalement la femme va devenir peut-être plus ou moins et, infertile plus tard. Donc c'est des choses que il faut peut-être mettre ça en avant afin de pousser à aller faire euh, ces examens-là et se faire dépister. Sinon, la plupart d'entre elles, Dieu merci, c'est des maladies qui sont traitables. C'est des maladies qui sont traitables et la prévention, elle est donc d'abord comportementale, c'est-à-dire qu'il faut c'est prévenir, donc euh, d'abord d'avoir des rapports sexuels, euh, euh, je dirais, à n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui, d'être fidèle à son partenaire. Et la plupart du temps, il faut aussi se protéger donc, devant un partenaire que vous suggérez, devant un partenaire. Donc, quand vous avez donc, des rapports sexuels qui sont protégés, donc, vous, protégez contre aussi les IST. Donc, en somme, voilà ce que faut dire par rapport à cette honte-là que les gens éprouvent euh, euh, vis-à-vis donc des maladies, bien euh, et du traitement donc des maladies sexuellement transmissibles ou bien des transmissibles. il y a beaucoup d'organismes, que ce soit donc des jeunesse, que soit donc des organes de santé, que soit donc des structures privées, qui œuvrent dans la sensibilisation au niveau des forces jeunes en fait. Donc c'est vraiment de rapprocher la jeunesse, de lui expliquer, de, de la comprendre et vraiment donc de leur créer des centres qui sont adaptés à les accueillir et de parler avec eux de la question de la sexualité afin de leur éviter de, tomber dans le piège des IST. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, maintenant, c'est vraiment devant chaque patient, le professionnel de santé doit avoir un comportement professionnel. C'est-à-dire qu'il faut être professionnel. Donc, il n'y a pas à juger quelqu'un par rapport à quoi que ce soit si vraiment il vient vers vous pour une question de soins. Donc, il n'y a pas de jugement à porter par rapport à la personne. Et euh, je pense que c'est les deux leviers sur lesquels il faut agir donc afin d'éviter ou de réduire cette euh, sensation de peur ou sensation de honte qu'on a donc devant les IST.